Jeudi 24 mai 2024, chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission de Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Fanta Chamsuy à mes côtés, Rabia Mekano pour la présentation. À la technique, nous avons Issa Laoli Dawaki à l'édition. Bonjour Rabi, comment tu vas Je vais bien Fanta et toi Ça va aussi. Alors, super, qu'avons-nous ce matin Qu'avons-nous au menu ce matin Aujourd'hui Rabi, nous allons offrir à nos auditeurs un programme bien garni. Un flash à info pour commencer, un reportage régional du loti avec les femmes du studio Kalangu de la culture linguistique, sans oublier la revue de la presse présentée chaque vendredi. Et dans la partie entretien du jour, vous en saurez plus sur la fête du 7e mois lunaire avec al Hajibaki, membre de l'association des féticheurs de Balayara. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Rukayatou Abraman. Bonjour Ruki. Bonjour Rabi, bonjour Fanta. Bonjour Kayatou. Fidèles auditeurs, bonjour pour le flash d'aujourd'hui. Le chef de l'État nigérien, le général Abdraman Chani, a signé hier 23 mai une ordonnance et deux décrets instituant de nouveaux ordres nationaux. Il s'agit de la médaille des théâtres d'opération intérieure et de la médaille de la souveraineté Saraunia Mangou. Ces deux distinctions visent à reconnaître et célébrer les sacrifices et l'engagement exceptionnel des FDS et des citoyens au service de la nation. Ensuite, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, en visite de travail dans la région de Tawa, a discuté hier jeudi 23 mai avec les opérateurs économiques de la ville au sujet de l'opérationnalisation du nouveau marché moderne de la ville inaugurée en en 2019, un consensus tendant à régler définitivement les difficultés de l'opérationnalisation du marché a été trouvé entre le ministère du Commerce et les opérateurs économiques de la ville d'Ottawa. Enfin, le général Mahmat Idriss Deby Itno a prêté serment hier jeudi 23 mai à N'Djamena comme premier président de la 5e République du Tchad. Il succède ainsi à son père après avoir dirigé la transition durant trois années. Mahamat Idriss Déby entame un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois, ce qui marque le retour du pays d'Afrique centrale à l'ordre constitutionnel. Et voilà, c'est tout pour le flash d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci bien à toi, Ruki. Cher auditeur, comme annoncé tantôt dans la rubrique Entretien du jour, nous allons écouter El Hajbaki. Il est membre de l'association des féticheurs de Balayara. Mais en attendant, Rabi, nous allons d'abord faire un premier tour en musique avec Gawezo de Feu Moussa konni leila siara antali tenera musubi antali aussi et sans nul doute l'une des plus grandes voix de la musique nigérienne. Il a valablement représenté son pays pendant plus de 20 ans. Et reprenant les rythmes traditionnels, il les adapta au son des instruments modernes, créant ainsi une musique nouvelle en accord avec la culture de son pays. Son but était de faire connaître sa musique et son pays à l'Occident. kabai saliala mana tali halate don ai sigeri ai ne kum sai sanni siara alai gadu kabai an tali nei na bose don ai sigurubi tenera go kama kaka alai gadu kabai an tali nei na bose don ai se musa zama kum sai sanni siara wara mai afa da tera lalai kan aalamee afaadha danjaamu. chers auditeurs, après cette première balade musicale, nous allons passer à l'entretien du jour. Et dans cette première partie, El Hajibaki, membre de l'association des féticheurs de Balayara, nous parle de l'origine de la fête du septième mois lunaire, communément appelée Yenandi. Il est au micro de Zainabou Abdou. sun hayo kan gai sai dikan wato da handu iya iban gani handu iya kai ifo no zi mai gati na mai wankan bon ai bai hali ne handu iya kai wara kan ti kwarara sarkin boro dini inga no agondu kurai kula agondu ga kinfo kango kurai fora kwara kara amini mu koi ne filani mu ka mi margu hinzu wali taci wali guci ne kan ga bai wallahi borai wo bang sini ga hinin goyo gote so handi yo kan kai ga babor kul kan yengu kurara aran maki wato sannino daran ko ba kun kurara mu duguta kun waddan kangata a kurara duno runo ni du nimta da haini no nimta da kolgati no nimta da hay kurkan dai no ni no borani no gina da dandi wono windi windi ni di gana gata wato amma hun kuno tatayen odi ayayi si dai bar kango follai kan kanno kun windi kulme gano ni sikoy kege ne ya cini a asin so ma kan aran ne ta tatayen wo as mai da maino gogu kan da aran sai ga kisna hankan gana handu iyo foro mati matkin no aran gogo sola te da sun kun wo meri dai ni ko meri ma no da ka imne to ngane wato dinga dinin tayi mu ko kinga go no ta dai amne to so karan kan duwo ne idiya han hanno gi himin da imi do so samu ne to do so se ala mi ni gam ala mi so hana ka to hala handi hana i kurki ne folle no go char ga kwara in kyar sambu ko sa jora i gonda nan kan i koi gamu gorna ta chadin moy shike cikal kwara i fo gorngi cirei fo gorngi bi fo gorngi cangar fo gorngi mena camena kigi keki so di koi im go gora hal ya din gite zi ma kan kwari gumar gungo din tengo no che ki geni biye geni ngi hali gi ga ne ngai no di konde en konda do we di mi safa imi sasa ba hala mboli ni zoro din kanta zoro ki din nyun kul bindora kusora ni ga igi zoro do runo din ni ga da kambo ga wani hinkadin har biyan ni da wato goy mi dayri a kaabu da bora gonnin ga turu turi ka ga bai turu turai di mini da yene di wani yene wani kan na yene mi te bani da lafiya to wato dingano ga kai mi kan da subu subu yan ga jeri zin za din da ira subu ya din su bai dan mi ne zan kai mu windi hal zan kai windi sasabe sasabe yan dai wanka yan dai bai dir ko nda ha wisi di to ngai ni gu windan guso jarga gu windan da ambori ne to zankai kuwa so zankai mi sabgo kuwa wato dinga ima dangidan subai dinga hala mi sintin gidi ima kanda bore nga kendi igu gon ngai di wigi ketugu sora igu gon ngai wigi ketugu sora wato dinga dangio tun bawu wato dinga kuwa dira fo bihin zadi di gugungure yenen dino hari no ga dangi wino hayno ga danjwi zano ne wato kamantin kun zano ne gangiyan ne kan ga kati ga kyab kan gaiwo wo kan sai ka an ga seno ika ga ti ga kyab so di banno di wato mi kyar sambu ka kwara ka kwara gilbufo kagate juma chino asibito chino asibito susu ba wato ni ga hara koi ke kanta tore nyau za waina manfun ngonongo woga ka al waina ga zigi bene kuli duwa imina to ngani mannan koi haranka zarmi chi na ga ta se mannan koi haranka i koi kan like mannan wana haran wana iri ka idi ayin da haran maraga ga to so ifo no ni kabiya haya kan ni ba labo iri ga bara ba nin da lafiya iri ga ba harima masangu mu kanara melifuto nyalawiyon katiyan furkuti sibara ir siba kar ngwari na bo wasu gim zumbara ngwari Haikurki kurki da labora mu fatta am gemo am koy bar da ara koy salam borai sai hanka ga ba da han akabiya ni ki nganda borai saban da kiran go mu koy wato dinga no giza zai ki wato dinga ni igi ki mali kirei an tara koy zai gina wato yim keki musu nyauri haulu ba doka wato dinga rigi ki mahammu surgo wato dinga ni rigi ki hausa koi wato gani rigi ki dongo wato dinga ni rigi koda keki idduna tori ke ya iyan ta ga hara koi so ngai modika haukai maka gini gaddi so wato dinga imne iseto mannan ko haran warai wo yikanda konni zimai imne ise indaran gam da yadi indaran gam alheri bari indaran gam dunga karan funda sajidi mancin na ran ga kebirse zimai mi fali kalangan dai mi saban da kere ne to irsi baya dirsiba ya wato iginenga isiba da bora gugu durkorsar wata bora ga talla iginenga isiba foi kosuya iginenga isiba ta shi kuya da bena tunan dikki gine duk su bi go borse ni misa sambu wai dingai kabiyan wayde yan zairi wo hayyade nori kakini ga imine to dir koy ba wayde ngay mo ngay gir ci ngay boray se ne amma hay kurkante zama hay ni wariya harta kono ba bora harta harma amma jalluguna zamir ne. se ba sarai gonda ba san ku ba fu C'était la première partie de l'entretien du jour. Avant de continuer, chers auditeurs, nous allons passer à la revue de la presse avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Rabia, bonjour euh, Fanta. Bonjour Mokhtar. Alors pour ouvrir cette revue, on parle de la crise Niger-Bénin, le point culminant de l'escalade, titre à la une du quotidien privé L'enquêteur de ce vendredi 24 mai 2024. Eh bien, selon les autorités, eh bien, les autorités béninoises ont pris une nouvelle mesure drastique contre le Niger consistant à interdire l'accès à leur territoire par voie fluviale. Cette voie permettait la poursuite des échanges entre les deux pays suite aux sanctions de la CDAO consécutives au coup d'État du 26 juillet. Désormais, la traversée Gaïa-Malanville en pirogue par le canal du fleuve Niger est interdite par les autorités béninoises euh, qui tiennent coûte que coûte à la réouverture de la frontière côté Niger maintenue fermée malgré la levée partielle des sanctions de la CEDEAO. C'est la réponse euh, qu'elles ont trouvée face à l'interdiction par le Niger au camion immatriculé au Bénin de charger des marchandises à destination du Niger à partir du port de Lomé. L'escalade se poursuit, note le journal. Assainissement des finances publiques, l'ancien président de la CENI dans les locaux de la gendarmerie nationale s'interroge l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. La nouvelle euh, circule euh, depuis deux jours sur les réseaux sociaux. L'interpellation de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Maître Issa apparaît euh, à la gendarmerie nationale selon l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. On parle aussi d'autres agents de l'ancienne institution nationale chargée de l'organisation des élections pluralistes au Niger pour le moment, l'on ne sait plus ce qui est reproché réellement à ces personnes qui étaient investies de la mission d'organiser des scrutins libres, transparents et équitables dans le pays. Et pour parler du h 2024, le premier vol charter a quitté Niamey à destination de Médine ce mercredi avec 345 pèlerins nigériens à bord, nous informe le journal en ligne Actu Niger. Selon le journal, le premier vol charter de l'opération Hajj 2024 a quitté ce mercredi 22 mai Niamey à destination de Médine en Terre Sainte avec à son bord 345 pèlerins nigériens. C'est la compagnie Air euh, Niger Airlines en partenariat avec l'avionneur saoudien Flydil qui va opérer le transport des pèlerins nigériens ayant choisi les vols charter à partir de plusieurs rotations programmées dans les prochains jours. Cette année, quelques 10 381 pèlerins nigériens inscrits vont accomplir les rites du cinquième pilier de l'islam alors que l'Arabie saoudite a accordé au Niger un quota de plus de 15 000 pèlerins. Selon les autorités et le commissariat à l'organisation du Hajj et la toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de l'édition 2024. Le collectif des associations islamiques du Niger, Cassine, appelle à la patience, au sacrifice et à la tolérance envers les citoyens, titre l'hebdomadaire La roue de l'histoire le journal nous apprend que dans une déclaration rendue publique ce mercredi 22 mai 2024, le collectif des associations islamiques du Niger, Kassin, s'insurge contre les paroles discriminatoires, les insultes et autres contre-valeurs distillées par certains de nos concitoyens sur les réseaux sociaux. Le collectif appelle à la tolérance et à la patience conformément aux préceptes de l'islam. Depuis quelques mois, force de reconnaître que l'ensemble de nos communautés s'est engagé dans un élan citoyen de conjugaison des efforts et de compréhension mutuelle pour la refondation et la sauvegarde de la patrie, une démarche qui demande beaucoup de patience, de sacrifice et de tolérance entre les citoyens comme le recommande l'esprit de l'islam. Nos valeurs religieuses et même coutumières exigent le respect de l'autre, euh, quelle que soit sa croyance. L'islam euh, recommande plutôt euh, d'administrer des bons conseils et que les discussions entre des semblables se déroulent de façon la plus courtoise, écrit la roue de l'histoire. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 24 mai 2024. Merci beaucoup, Mokhtar, et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Très bonne continuation. Chers auditeurs, poursuivons à présent avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans cette deuxième partie, El Hajbaki euh, nous livre certains secrets liés à la fête et les vœux formulés à cette occasion. Il est au micro de Zainabou Abdou. da hingiki irse ta gazan labora handu iya foro girbi margino igogate nangu nangu kulu dinga ce diluwo no amma idi kai hunkun ne wa tagzar labo kara yi go wo girbi hinzi dai ni ga nga wa di muna la miso juma asibito asibito han zaro no haya kurgite am ban so kai ba kir ko ke be yesi no to zai ga mai ne zaro ni ginga ki ifo ki zaro zaro man cinga bon dimino bor dai no kan go borai da kan ga ba folle ki na sin da folle nga no du folle di agi ka gini gana zi mai gi danda da du folle tuna agini agini ma na agini mura gini si kaise aga kanu rufan dobo hankadu a ganno songo waidi no borai mo gan gan da kala imama adan zawu songo da tunu zi makan kwara tuna akwai fakare idi gon na waran kadin gon da kan ni ganno ni ganno da dungu muradu fo barkan do an hege ka igitiase na. mana no so irgidi danga handi iya foro ki gite ne ita ga zalla bora ji mana te ta gasan labo lahan funa hinga kande ta gasan labo si lalle lahano kaagi hinga kande lahano wo kurmar ganta kursu funde kal iri koydo amma ganje wonganda koye kayan gogini gana zan ka kan borgo don ton ni gano haifo da ko ke fo amandu ke hinkanta ban don ton da ko murado te to alkawli no ki san kyar se jiri kuru igine mate borai kan gi gan wo humburu ngai mu goro ngai mana halin te zama ngai mo hari kurkan tunulano i gondo fonda kangai mo igi ga irkoiga irkoigi ga kisinai mo hayaki ngware irkoi gadini agate wai din sabbai seno bore kan goyi bando wo sini ko godai no imana handu yi foro din te hari no ka ika garborginai ga sai borkursu ba bokam sai ni bongora mafaro kan se handu wo da to i kokari lokacin lokaci o tenwa ngadin ga sikai folle zai hin ga folle zai hin ga me wara kul me da me ga bai kan kimino me bai gono amma wankan ne a sabbai seno borai ina harramandi bai kai igono amma igane ngoni ne sibori ya dini ga handu si ni gite dedo da handu ya lokaci to borai kan gongai a har karawo mu gore man ta zaman ga gudi lahani ka kan dangai ga edi bonna garaw sambu do no da da lokaci to bora ka garaw hame matkan cine han bi farka bifo wana ka aran te ne ta gazan labura handu yi foro a te wala manti wallahi handu yi foro te in yi ki se mataka ka ce da aran da fali ngai te da mataka wallahi kan handu iya di man sintin kala la miso ka juma ka sibito hane lalle borai ka yayi ke ci kan ridiye man da me inna hara ko ke ci farme langa no rigini gidi za su su bai ne. inna seto gilo ya bu iriga ba ta gazar labo wodi ne zayar kap hari makan ara hari makan mu kan shin da kosongo a sin da mela shin da katiya iriga ba mun ta su haikul kan alfaraidan labora am fatta am fatta am temo am te hanka alfarai guduwa albarka bora kuru guduwa albarka zama da albarka bar ga te man alfarai hinno guduwa abanda gano iriye ya gihiza yake ki hizeigiti mali musu musi nyawri hausa kwai muhammad surgo dongo kwadajo inni ke kidde ka inni ke kidde ne to matano mannan ko haranka garu hayanno songo matano ingai wo igi cabirse kangai wo igi da nyango so i fali mo kalir iri hini kyare kiri hini kyar mo sanka kir sambu kyar se man ki tagzar hinne se no iri ngware ni zer kur se no iri won ngwara te iri mar ngware tagzar hinne se zamde tagzar hinne te hay fo nongu fo yam man te tagzar hinne se ni bora igi jarme iri woni zer kur se no iri ngware inne iri ga ba su jindu gomno aran hina me kango aran do balawu kango aran do iri ga ba amerikan ba zama hankan goyi do akurti manta iri koy wanda no dabaro kurir ko koi kambara na go inna ngwara te inna sanku sangu wo idimbo mu sanka ki sambu mo ichi se ha ekise ba wallahi du borgo duru musu talla ina ga shi ba borgo duru mi hinjo tanga talla gini kan bai karkarga ga. du wani kusu da kindi be na tunan da go ka kusu biyo di hay kul kan gwara nim san sambu da hawo ban ga bare hal hawo man bare ni ga ce ci gumu tuno ni ga suno ni ga ce ci ka danga da hawo do ga mara ga da bunda mu da ga dan fora problem kul sara ta shi kuya ina nga shi bara foyur ta kosu yongo za mar man girmai mante bore mu kan foyur yurtara kosinen ga shibara inni ki bore se barkan ko gi ka te barkan ga hin boro da barkan ga di bor ni ya. da ne ya skare sen ko ga te to ni dai no te ni bonse da bon na hin te dun gor ngai gini gana da bon na hari mo ni kan haro kan ni gana ga se ne duba na mu da bu mu faru ko ga zaram sen no duba na mu da bu mu faru ko ga ti barkan ni ga talo te talo mi ya kwa connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangu se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire. Nous sommes vendredi et nous parlons entrepreneuriat. Bien sûr, Fanta, la rubrique entrepreneuriat nous amène à la découverte d'une jeune pâtissière de la région de Zender. Elle s'appelle Hajara Hassan Ibrahim, elle est promotrice de l'entreprise Elsewhere et formatrice aussi en pâtisserie. Elle livre quelques conseils en entrepreneuriat au micro de Fanta Chamsou. J'ai choisi la pâtisserie parce qu'à un moment à Zender, quand nous avons besoin des pâtisseries, c'est tout un tas de problèmes. Donc, euh, je me suis posée, j'ai calculé les pour et les contre. J'ai commencé à développer mon idée d'entreprise. Donc, euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la pâtisserie. Je me suis dit, ah, comme je rencontre beaucoup de soucis pour avoir un gâteau ici pourquoi ne pas créer moi l'entreprise qui va offrir ces gâteaux-là aux gens Parce que franchement, on reconnaît un bon entrepreneur, je dirais, c'est sa capacité à trouver des solutions aux problèmes qui existent. Et moi, j'ai trouvé les problèmes qui me dérangent beaucoup et j'ai apporté une solution, c'est-à-dire de créer l'entreprise Alzouer. C'est-à-dire l'entreprise par laquelle on va offrir des pâtisseries séries aux gens qui ont besoin et ne plus faire de cet aspect un problème dans la région des Indiens en général. Est-ce que ça marche bien Oui, ça marche bien parce que le domaine de l'agroalimentaire est considéré comme un domaine franchement rentable. C'est vrai que nous sommes à nos débuts maintenant, mais ça avance. C'est un plan qu'on a mis en place et le plan suit son succès normal. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez principalement dans votre activité Nous rencontrons beaucoup de difficultés, à savoir l'accès au financement. Parce que vous savez, quand un entrepreneur commence l'entrepreneuriat aujourd'hui, la première des choses qu'il aura besoin, c'est surtout la formation. On est d'accord J'ai été formé par les biais de plusieurs organisations qui m'ont soutenu. C'est vrai qu'on forme les gens. Et puis à la fin, quand on vient laisser ces gens-là à la merci d'eux-mêmes après la formation. C'est-à-dire, il faut que après la formation, toutes les institutions qui euh, forment les gens dans des activités génératrices de revenus, à la fin, qu'ils pensent à donner des appuis à ces gens-là. Quand je dis appui, je parle des appuis financiers obligatoirement. Parce que quand on forme une personne et qu'on les laisse lui-même à sa merci, franchement, c'est un sérieux problème. Vous avez été formé à combien de reprises Oui, j'ai été formé à trois reprises. D'abord, j'ai été formé ici même à Zender, après je suis partie à Niamey et puis à Dakar. Encore Encore vous avez été formé Dans le domaine de la pâtisserie, bien sûr. Parce que c'est un domaine qui me passionne beaucoup. J'aime les dire. C'est vrai qu'à Dakar, ce n'est pas ce qui m'a amené, mais on a été bloqué par une contrainte. Donc je me suis dit pourquoi rester à la maison à ne rien faire, mais vous partir dans une pâtisserie. En tout cas, moi, j'aime travailler, j'aime faire de la pâtisserie, de la restauration en même temps. Donc voilà, c'est après que j'ai eu un appui, un appui qui n'a jamais atteint son terme. Donc je dis me débrouiller, qui d'ailleurs m'a basculé, m'a déprogrammé carrément parce que moi je comptais sur cet appui-là. Donc le peu d'argent que j'ai eu à gagner, j'ai eu à euh, le gaspiller comme ça. Donc j'ai un appel à lancer à l'endroit des entrepreneurs. Franchement, il faut prendre trop de sérieux la notion de gestion financière. C'est très très très important. On parle toujours de ça. Mais franchement, les jeunes, moi, je vous invite à aller faire des recherches en profondeur sur la gestion financière. C'est très important quand on veut entreprendre. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs que je ne répéterai plus jamais. Ah, que pensez-vous de l'autonomisation de la femme ici à Zender L'autonomisation de la femme ici à Zender spécifiquement, c'est un aspect qui est très important. Et je crois que l'autonomisation de la femme euh, constitue en effet une partie de la solution. Il faut que nos femmes entreprennent quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, le de la femme, on parle surtout de la justice et de l'équité, c'est-à-dire donner les mêmes chances aux femmes et aux hommes d'entreprendre et de bâtir leur propre entreprise. On ne peut pas être là à la maison, attendre. Euh, c'est vrai qu'il y a des femmes, ils se sentent à l'aise quand ils sont pris en charge à 100%, mais il y a des choses. Toi-même, tu sais que tu en as besoin. Mais le temps qu'on vient de le faire, fatigué, ça te fait mal. Mais pourquoi ne pas sortir le faire toi-même tant que tu le peux Pour les femmes qui aspirent à être, qui ne sont pas encore mariées, d'avoir franchement des hommes qui partagent votre opinion, les hommes qui sont prêts à vous accompagner et qui n'ont pas à vous bloquer. Parce qu'on rencontre beaucoup de soucis aussi. Il y a des femmes qui veulent entreprendre, qui veulent être autonomes, mais elles sont bloquées par l'aspect mariage. Parce que nous, ici à Zander, il y a aussi cette contrainte-là. Genre, la place de la femme n'est pas de sortir chercher l'argent ou bien se chercher à la maison, le foyer et tout. C'est important, c'est leur point de vue. Le monde n'est plus comme le connaît. Le monde est en train de changer, en train de prendre une tendance et nous devons être parmi. Est-ce que vous contribuez, genre vous formez aussi d'autres personnes Est-ce que vous avez eu à former ou à partager vos connaissances Oui, dans l'entreprise également, nous faisons des formations en pâtisserie et en cuisine. Nous avons eu former beaucoup de personnes en ligne et en présentiel. Récemment, nous avons fait une formation en février à l'endroit des jeunes filles, également des hommes. Nous faisons également des formations individuellement à domicile ou bien dans l'entreprise. Ça dépend du choix de la personne. Est-ce que vous avez une boutique ici à Zender ou bien vous faites euh, vos activités à domicile Oui, actuellement j'ai une boutique de pâtisserie. Mais avant, je faisais ça à la maison. C'est très bien quand quelqu'un vient ouvrir sa boutique d'un seul coup, dire que je fais une telle activité. C'est très intéressant. Dernière question, les erreurs à ne pas faire pour un entrepreneur. Vous dites que vous en aviez commis. Voilà, donc si je veux entreprendre, quelles sont les erreurs auxquelles je dois faire attention Selon moi, parce que toujours je parle en fonction de l'expérience vécue. Vraiment, les erreurs que j'invite les entrepreneurs à éviter, c'est surtout concernant la finance. Il faut prendre euh, vraiment très très au sérieux l'aspect de votre finance dans l'entreprise. C'est le message que j'ai à passer aux jeunes. C'était Hajara Hassan Ibrahim, promotrice de l'entreprise El Zouer que nous avons eu à interviewer pendant notre séjour à Zender. Avant de continuer notre émission, chers auditeurs, faisons une autre pause en musique. Tu nous proposes quoi, Rabi, cette fois-ci Fanta, comme demain, 25 mai 2024, le monde célèbre notre beau continent, l'Afrique. Une date également qui célèbre la création de l'OUA en 1963. Pour marquer le coup de cette émission, on vous propose l'hymne de la jeunesse panafricaine de la grande diva Fatih Mariko. travers cette chanson que l'on nomme affectueusement au Niger l'hymne de la jeunesse panafricaine, Fatima Rico a voulu toucher la jeunesse africaine avec des messages forts et nous rappeler les grandes figures super inspirantes du panafricanisme. Voilà, chers auditeurs, c'était l'hymne de la jeunesse panafricaine de Fatih Mariko. Si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas, vous pouvez la réécouter en intégralité sur notre site web www.studiocalangou.org. Et restons à Niamey pour l'écho des régions, n'est-ce pas Fanta Bien sûr Rabi, le 21 mai est célébré la journée mondiale du thé, une célébration de cette boisson millénaire qui va au-delà des cultures et des générations. À cette occasion, Ali Munkela Ousseini a rencontré quelques jeunes consommateurs de thé pour explorer ce que euh, ce liquide représente dans leur quotidien. Voici son reportage. Le thé, au-delà d'être une simple infusion, semble jouer un rôle crucial dans le quotidien des jeunes nigérians. Suleiman, un jeune dynamique, nous confie que le thé est pour lui une véritable source d'énergie. Le thé, ça fait partie de notre complément alimentaire. Une fois réveillé le matin, c'est notre premier souci au fait. Le fait de poser le thé et de prendre ça, c'est ça qui nous donne la force pour mieux travailler. Le matin, on pose jusqu'à trois pauses, de 7h à 11h30 ou bien voire midi comme ça. Malgré tout ça, le soir, on va encore poser. De manière globale, dans la journée, on peut prendre jusqu'à 6 à 7 pauses comme ça. D'un autre côté, Djayambo Panam Nasser, étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines, voit le thé sous un tout autre angle. Pour lui, le thé est un antidépresseur naturel. Tu te retrouves dans une situation de stress, tu là, tu es stressé, jusqu'à tu as mal à la tête. Quand tu te retrouves avec un bon premier, tu le prends. C'est comme si on a envoyé quelqu'un pour venir tirer le stress là de ton corps. Tu te sens relaxé, tu te sens à l'aise, au calme. Tu retrouves la raison de bien réfléchir pour trouver des solutions à ce qui te dérange dans la tête. Ces témoignages révèlent combien le thé peut avoir des significations et des rôles variés selon les personnes et les sociétés. Merci à Ali Munkela Ouseni alias Seno 50% pour ce reportage. Un, spécial, coucou à tous nos auditeurs euh, qui nous écoutent en direct à travers la radio Scout, Tambra FM et Canal 3 Niger. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passé de 38 minutes et c'est l'heure du sport. Et ça sera avec notre chroniqueur sportif Hassoumi Grouza Karimou. Bonjour Bonjour Rabi, bonjour Fanta. Bonjour Grouza. Très bien. Pour commencer, nous partons à Douti pour parler de la pétanque. Oui, la pétanque fait partie d'ailleurs des sports pratiqués à Douchi, la capitale de l'Ariwa, un club de pétanque euh, qui a vu le jour en 2023, un club qui fait d'ailleurs la fierté de la ville. Actuellement, il existe plusieurs catégories de joueurs qui s'entraînent. Écoutons Seni il est le président du club pétanque de Douchi. On a des licences, donc on participe presque à toutes les compétitions nationales. Vous partez jusqu'à Niamey Oui, on part à partout, à Niamey, à Difa, partout. Et qui sont euh, ceux qui pratiquent euh, le sport euh, de pétanque ici à Douchi Bon, je me dis qu'à Douchi, si vous regardez, il y a là-bas un petit, il doit avoir 10 ans, 11 ans. Lui, là, il a plus de 50 ans, il y a des trentaines. Donc, euh, la pétanque n'a pas d'âge. Quel que soit l'âge, c'est praticable. Les enfants jouent, puisqu'on a même l'intention de former des jeunes pour qu'il y ait de la relève. Est-ce que euh, a une fois remporté une coupe, euh, une médaille Bon, pour le moment non, puisque c'est cette année on vient juste de faire les licences. On est en train d'apprendre puisqu'il y a d'autres, c'est cette année même qu'ils ont commencé. Mais Inch'Allah, un an, deux ans, on espère euh, faire quelque chose pour Douchi. Et comment vous allez faire pour euh, vulgariser la pétanque ici Bon, même euh, la, semaine passée, on a organisé un tournoi. Il y a eu le département de Dosso, Dosso Ville, Birni, Tibiri, Gaïa. Donc on invite tous les départements. Bon, il y a des, quelques départements qui n'ont pas de club, mais sinon presque tous les départements ont des clubs. Donc on organise, on invite euh, les chefs traditionnels qu'ils viennent assister. Donc euh, on pense que petit à petit, on va, comment dirais-je, agrandir le, la pétanque ici à Douchi. Ça veut dire que les gens euh, commencent à aimer ce sport. Tout à fait, puisque moi, à ma connaissance, si on enlève le football, en termes de licences, c'est très difficile d'avoir un sport ici au Niger qui a plus de licenciés. Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller dans une grande ville où on ne pratique pas la pétanque. Hier, c'était le lancement officiel du programme de football féminin Grouza. Oui, Rabi, cela s'est déroulé au stade municipal de Niamey. Le lancement de ce projet a été présidé par l'administrateur délégué de la ville de Niamey et le président de la Ligue régionale de football. Ce projet permettra d'ailleurs de renforcer la capacité physique des filles dans le domaine du foot à Niamey. Écoutons l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garantier, au micro de Kadiri. C'est un projet vraiment qui est noble et qui mérite un accompagnement. Et nous, au niveau de la ville de Niamey, nous allons être porteurs au niveau de la ville de Niamey pour pouvoir vraiment euh, donner un rayonnement à cette initiative. Le football est un sport roi c'est un sport qui est connu et voir des jeunes filles aujourd'hui qui sont des jeunes talents jouer au football de cette manière, ça ne fait que nous réjouir. Et nous savons qu'on a besoin de cette gente féminine en fait pour qu'on puisse faire rayonner notre, aussi notre équipe nationale. Donc on doit les accompagner dès le bas âge pour qu'elles puissent donner vraiment de l'espoir pour qu'on puisse rayonner sur l'échelle internationale. Donc ce sont des initiatives que nous louons et que nous allons accompagner fortement. Voilà, Rabi, Fanta, c'est la fin de ce sport. Merci. Merci, à vous, Rosa. pour Passe un bon week-end. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, c'est le moment pour nous de découvrir l'étoile du jour. Dans la rubrique portrait d'aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un jeune revendeur rencontré dans le marché de Kodo, à 110 km à l'est de Niamey. Il s'appelle Manu Douda, âgé de 30 ans et natif des Canarés, département de Bobo et région de Dossou. Et c'est un revendeur des maïs et des sons dans les différents marchés hebdomadaires de la localité. Son porter avec Oumu yande sappo bana minen tawa nder luumo koddo kilo capanɗe jeɗɗi e gallu ñeme luumo ñamowo alal warde alal min tawi manu dawda omo jodi dow sakuji kamannaji e dobu omo domi codoɓe gara cooda manu dawda no suka ummatore mo duuɓi capanɗe tati o jeya kana wuro kannare nder leydi harkanasu région mo o suka ummatore fuɗɗirana durgol nden ko o naati nder jaaki hurmire gaɗa mum manu watti hoore mum nder filla lumaako hande manu sonnatana sakuji kamannaje e doobu nder luuɓe to wala miɗen ɗon ni miɗen piilono miɗen jaha gana miɗen garta de min gari min jooɗi ɗo no min tefi nakumen keɓa gollal ngal ɗo goɗɗo watti kan min ɗo goɗɗo waddi holliyani ɗo min ɗon fuɗɗumi tawi wallahi ɗum waɗa hande kay min waɗi naati gollal ngal na ko ni mi yetti hanoni hande ka alhamdulillah min na luumo ɗo to miɗen jeeya ɗo miɗen jeeya coota miɗen jeeya har kanasu ha ɗon ni min jeyata to hamanaji yaade dow bo ni min connata ha luumo kon hande ka alhamdulillah wallahi no waɗude fara ɓangere fi luumako gu ma no waɗata dow soodu sonna hannden iɗum woodi saɗarma dey fuu haɗay o suka ummatore no wonno waɗa luumako mum nder luuɓe to o yarata sakuji kamannaji e doobu imo sonnowa imo yetta allah e ko o woni imo heba nder lumahu gum sakuji kamannaji e doobu ko o sonnata ko heɓi barke sanne nani fama ka o hokki dow mum caada to ɗum e neɗɗo wawiɗe ko allah jippini kan ɗum e neɗɗo wawide he ko allah wadde a ko allah no wawi ko ni wonani kay wawa allah madalla wallahi barka waɗi alhamdulillah a meɓi bisaji ne miɗo heɓa ceeɗen sooda bisaji fuu ɗum ɗon nimi waɗi mi dewlayi walla nder majjum jon ka bisa miɗo heɓa mi e sooda hammadou bourayma ɓi luumojo non jaadi ko non moɓe nebdi to o woni omo hokka seeda dow no maano waɗirta luumaako mum e no wontiri hakkunde mum e himɓe o holla wiide neɗɗo non ngattowo goonga nder muraduuji mum min ga Allah maano min muɗum gonda ni hawtimi wallahi on ɗon goɗɗo ko ñande mi andi e mi andiri e di maako mi andira e jiɓe mi andira e yiwtaaje ma andiga kon ummi mi andu ɗum kaɗa mawraɓe an kamɓe ummori mi mawraɓe an ɓe furunto woto mawri ko enen basi fola e makko wallahi o wala fo gacce o wujjata o tetta o fiyata riba du Merci à Omaru pour ce portrait. Et c'est le groupe Jolodi avec son titre Ténéré qui vient boucler notre playlist du jour. Yalla yalla, yalla yalla, dum da gaske kai wani rawar bugaje, Tikin ténéré, wai mouna, hip hop tanere, ka kai da gaske kai ka gamu kan mu tare wai rawa kamin da saye har zuwa kamar marece wai mouna, hip hop ténéré. rawa gaske, ta gaske, kalle iyaye wayar waka min sai hazu waka marmare ce yalla yalla yalla yalla kam da gaske kai wannan rawar bugashe cikin ta wai muna hip hop da ne re ka kai da gaske wai ka ga mu kan mu tare mai sai hazu waka marmare ce hip hop da ne hip hop da gaske kai چخسه هواره وربانو درسه ای کردا با کام برگ بر ما تجربان چرسه یو کاسه کاسه کاسه زکور لا پوکو تاش دیگه مو کامو شونا مو مو کامو شنه بس کن وانا واقع بو کاشه لشن نفسه درسه درسه درسه مرسه درسه هکر بل مو منو هیار بینی مو منو كده هنكلين وكباني مو متي إما كذا ذكر شرد البيد تاو أبين البيد تاو كاسني نرسان غيش أمين نفوت الرب الشورو taf pour que la jeunesse renaisse, pour que l'espoir renaisse, pour que tout aille de l'avant. Quand ça joue délégué, délégué, sur ce sujet banal. Warama gwede de lakal, warama warama de de lakal, de ma de za de lakal. Kata de beu wambu, walor wakini makini mate, ima dudu dudu dudu ka baika iri bumbo ki ini gate. Muni na manya go bachi ka bakat sai da mu, magari ka sai da ça, tous les mains à l'air, en avant, tous les nègres, nègres. Il faut qu'on passe, avant que même le temps ne passe, nez de tout espoir. J'ai voulu voir, Yaman, c'est déjà trop. J'ai voulu voir la corruption éradiquée. J'ai voulu voir les haches de guerre sont enterrées. J'ai voulu voir le droit de l'homme est respecté. J'ai voulu voir tous les miens sont décidés. Toujours l'espoir quand la pluie s'est libérée. Et les miens se solidaires après la paix s'est installée, mal, Viens voir, viens voir, mal Open, open, open. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Ténéré du groupe de rap Jorodi. Et à présent, on passe au loti du jour. Éduquer un enfant est un vrai challenge pour les deux parents. Ces derniers doivent s'investir pour garantir à leur enfant un bel avenir. Mais certains font plus hein, que les autres et cela peut interférer dans leur but commun. C'est de cette question que traite le loti du jour. Écoutons cette conversation entre Zenobo Abdou et Samira Rouafi affairage, affairage, affairage, affairage. Bonjour petite soeur, comment tu vas Ça fait longtemps, toi on ne te voit que lors des cérémonies vraiment. Je vais bien grande soeur, Dieu merci. Vraiment désolée, entre le boulot et les enfants, c'est un peu compliqué de trouver le temps d'aller rendre visite à la famille. Tu as parfaitement raison. Alors dis-moi, comment vas-tu ainsi que les enfants et leur père Ils vont bien, ils vont tous bien, Wallah, Dieu merci. Tu sais grande soeur, si tu as un peu de temps libre, j'aimerais discuter avec toi afin de bénéficier de tes précieux conseils. D'accord, il n'y a aucun souci. Mettons-nous dans un endroit calme. En fait, j'ai un sérieux problème avec mon mari. C'est-à-dire, peux-tu m'en dire un peu plus En fait, mes enfants sont plus importants que moi aux yeux de mon époux. Je ne comprends pas. Comment peux-tu dire une chose pareille Je n'ai dit que la pure vérité. Alors explique-toi pour que je puisse comprendre. Figure-toi qu'à cause de mon mari, à peine les enfants me respectent. C'est uniquement quand il n'est pas là que j'ai un tant soit peu la maîtrise de mes enfants et de mon foyer. J'avoue que je ne comprends rien. Sois beaucoup plus explicite. D'accord. Figure-toi que selon mon mari, je n'ai aucun droit de demander à mes enfants d'effectuer certains travaux. C'est moi qui devrais tout faire. Et pire, quand je veux lui parler, et qu'en même temps les enfants lui parlent, peu importe l'importance du sujet, il faut d'abord qu'ils finissent avec les enfants avant de m'écouter. Non, toi aussi, ne me dis pas cela. Quel intérêt aurais-je à te mentir Je suis étonnée de ce que tu me racontes vraiment. Pourtant, c'est exactement ce que je vis. Mais as-tu essayé d'en parler avec lui J'ai plusieurs fois essayé de discuter avec lui. Mais figure-toi qu'il m'a tout simplement dit que j'aimais juste exagérer les choses. C'est vraiment incroyable ce que tu me racontes. Pourtant, ton mari n'a pas l'air de quelqu'un qui peut avoir ce comportement que tu décris. Justement, c'est là le plus gros problème. C'est pourquoi je ne pense même pas à en parler à quelqu'un d'autre, parce que c'est très difficile à croire. Et pourtant, tu dois raisonner ton mari car ce comportement risque de faire en sorte que vous ratiez l'éducation des enfants. Tout comme les enfants ont des droits sur lui en tant que père, toi-même tu as des droits sur lui en tant qu'épouse. C'est ce que je me tue à lui dire. Mais en vain. Ton mari ne sait-il pas que le fait de se comporter ainsi pourrait faire en sorte que les enfants ne te respectent pas Cela même pourrait faire en sorte qu'ils commencent à penser que leur père les aime plus que toi. Et cela est un grand problème. Cela est déjà arrivé. Hein. Imagine-toi quand il n'est pas là. Les enfants sont tellement dociles et obéissants. Mais dès qu'il met pied à la maison, impossible de leur faire faire quelque chose, parce qu'ils partent directement se réfugier derrière lui, comme si en son absence, je l'ai maltraité. Vraiment, la seule solution à ton problème, c'est d'appeler les anciens et de leur présenter ce problème. Car là, c'est l'éducation de vos enfants qui est en péril. Refuser que tu demandes aux enfants de faire certaines tâches, je peux le comprendre. Mais te relayer au second plan devant eux, cela est inacceptable. Dès demain, tu devrais convoquer une réunion avec les anciens. Merci pour ce précieux conseil, grande soeur. J'aurais pu faire n'importe quoi sans t'avoir parlé. Je le ferai vraiment, car il faut pallier ce problème. Je t'en prie, ma petite sœur, je suis à ta disposition. ce loti, à présent, nous allons accueillir Alamine Ouachar pour la culture linguistique en tamashek. Le mot de la semaine est biodiversité. Bonjour Alamine. Bonjour Rabi, bonjour Fanta. Bonjour, bonjour nos auditeurs. Oui, on va parler de la biodiversité. داتما جقا biodiversité, yani يعني الزنا Zone الزنا فنارة وين موصني شي حلك la نهن الدنيا دغادي الزنا فنارة la دا إيمو صارت كان ضغط خلا كول شي نزلني في الظاهر نمدال كان الدغش كان كان الدغيتي دن كان الدا كان كران ولي جان ولا أي قلرة يدارني سانفاسن غراشيك ولا دغنيل ولا دغن رموز أرتن وين دنتنستان ودات فرانسيس بيوديفرستي والسنة تاس دغا النظر واتقدني تكاسزل ودو تخلق ناسيون جيني أواتي ونجي من تزاي تمر تزاي تمر وينت كراد وتست دا سنة تمر وين دشين دا تلي تما نواتي وين نشينكي دا غادي أرتوسي هورا تجرو إدن كود دا المعنى نطفر تن ديفرستي يعني النور نظنفن انتحلكن الله شنو ورني نظاهر نمضان أقلنت أكن تخلقنا الله توارة مدار تلي دقني أكن تخلقنا الله إلي أوست شاواد إيت في الأساس نكلل مثال أرت وصي هور التقرينتي لندا دي موصر دا تحلقنا الله شين الداسنين الظنفن تحلق شين دين ورنين الظاهرنا مدار دين استاريت للشغلة وينيتك استارت انت نغنيش كان ستاري تنسقي دقنيال فلان سيدا كون وين تسقر دي ما ايش كان وين تغتسل دي الا ان توطح لكن الله وشين الدرنين داوا اش كان وين إن دا فلاس السقور ندني وين نتنبطو نلعب لاسنا الطبيعة إيقا أنمود ناقاز نرى تنكول وينقلين شي خلاك كول شين هنين ندنين دغا الصف نرتزي هاجي دغا دي شيخ لكن الله شين دا ارت وزانا قرو دغس اسوي دن كول يهور دا ويتا دهل نت فلقنا ويقن ست دين نلع اللاس نسنت نسينا الله Merci à la mine <laughs> pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamajek ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangu to ni gaskiya shirin da ya yi birgen cikin shi shiri kamar wanda suke wanda ake cewa mu haɗu a fada shirin na shi yake birgen wanda na ga kamar mutane ne ake kira wanda kowa a tambayi shi ra'ayin shi ko kuma bisa kan aikin da yake yi a tambayi ra'ayinsu shi ne ga gaskiya yana birge ni saboda abu ne mai kyau sannan kuma musamman da wurin shirin nan na wasanni na kwallon kawa na balo kenan to shi ma shirin na yana birge ni saboda yanzu shiri ne wanda in an ka yi shi kai da kanka kana sanin inda aka kwana da abubuwan da yake hawa na balo in kasan inda ake yin ta da sauran wasanni irin zabuwa shi ma irin wannan kana samun labari sai kasan inda an ka kwana to ni dai iya suna na abdallah atiyub to lalle malami ina nan ga sauraron studio kalangu balle ma shirye-shiryen wasannin su wannan suna kayatarwa gaske ni dai a matsayina na matashi sai dai in yi magana kan fannin wasanni da suke yi musamman wasanni na kallon kafa wa'annan wasanni su ne gaskiya na bibiyar kuma suna bukatarwa bremen tunda suna magana a kansu ta fanni-fanni van suna kamo kasashe a nan namu kuma ana ketare zuwa ƙasashen turai za mu ganin wannan bremen labari ne wanda ka kayatarwa masu biye-biyen wasanni na ƙasa nan nijar ma hama da ƙetare wannan shiri ne bremen wanda suke yi suna ka tallafi ga masu biye-biyen kallon kafa kenan suna ba mu labari da abin da zai faruwa da suwaye za su haɗu da yadda suke ba mu vraiment labari da dama mun iya ce vraiment wannan abu ne wanda yana da daɗi yana ban sha'awa mu dai ba abin da za mu cewa illa su ci gaba mun gode Allah ya kara musu ilimin wannan aiki sunana Alhaji Bizu sarkin bakin birnin da kwarar studio Kalango dai muna sauraron ta kuma ta kayatar da mu kwarai tana waye mana kanu bisa wasu abubuwa da yawa surtu ra'ayin nan da suka yi na lahadi na asabar da wallahi yana birge mu kwarai kaga akwai wasu sensibilization da suka karawa cikin kano kan mutane na harka shaye-shayen nan da yara matasa ka yi bai da kyau wannan ya birge mu kuma yana kara mana kuzarin sensibilizar yara da jan hankalin yara da su daina ba wani ba alferi ba ne ba bai da cigaba ko alama kuma karkara wallahi suna gode mu wannan radio wasu suna amfani da shi kwarai wasu abubuwa ma baka isa ne sai cikin wannan radio studio karangu mun gode na da eh, yarda Allah eh, babbar tashar birnin da kwaro yana gaida Alhaji Rabu Tabo president sandika transporter voyager yana gaida Sali Japan na wani latizo ne na guga yana gaida Habibu baka ma maza sai mata Point final de cette édition du Niger sur Kalingu. Pour ma part, on se retrouve à 17h pour le journal du soir. Bye bye